Parler de Guy Pen me fait énormément plaisir dans la mesure où on chemine ensemble depuis 2004 et c'est un collaborateur sincère, aussi un ami et un frère, dans la mesure où il est très engagé et en plus au-delà des relations professionnelles, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Giuseppe Guy euh, parce que d'abord Ben suma xarit ñaar daf may tooñ toujours di ma wax man maay sa directeur de cabinet ndaxte effectivement lépp lu ñu def fii ci milieu culture muy côté musique du côté art en général dinaa ci liggéey ak moom euh, mu nekk na un acteur de la musique c'est-à-dire acteur de la musique moo di dafa jàll li nga xam ne rek day utiliser instrument dafa bokk ci nitu réflexion ñi nga xam ne dañuy réfléchir

temps yooyu moom moo daan gën a présent ci réunion yi ci activités yi ci programme yi ci difficulté yi aussi ba nga xam ni bi ñuy xeex pour affaire droit d'auteur moom def ci jouer role bu mag a mag a mag ba nga xam ni euh, rôle boobu je crois que sénégalais yi musiciens yi artistes yi hommes de culture yi war nañ ko ci delloo njukkal bu mag a mag a mag personnellement lépp li nga xam ne aussi sumb naa ko dina ci dugal loxom te nekk na aussi bu ma waxee ni acteur culturel nekk un militant de l'art surtout parce que am un artiste du rek da ngay bokk ci mouvement culturel da ngay bokk ci mouvement politique culturel am na yu fi xew yi nga xam ne daf ci taxaw boo gisee am na benn euh, euh, mouvement bu mag ben bu ñu organisé woon sec. Douta nga xamni par exemple le professeur Sankaré temps mi ngi dund te le premier agrégé en français ñu bañal ko visa France kéro boobu moom moo mobiliser mobiliser mobilisé musicien yëpp ñu dem Douta sec def fa témoignage bu ré ré rëy ba ambassade bi dellu Pour votre information, peut-être il faudra vous dire qu'il a eu à titiller un peu la chanson quand il était en France. Et c'est pendant son séjour aussi qu'il s'est spécialisé à l'environnement juridique de la musique. Donc c'est pas étonnant qu'au Sénégal, une fois rentré, qu'il soit toujours dans cet environnement et qu'il ait eu envie dans un environnement où c'était un peu, je ne dirais pas le où, euh, autant pour moi, euh, mais un peu le désordre ou encore le manque d'organisation euh, de euh, cet environnement de la musique sénégalaise, de vouloir un peu l'organiser et mettre quelque chose en place. Et c'est comme ça qu'il a été parmi les membres fondateurs de l'AMS qui existe encore. chaque fois que nous avons organisé organiser quelque chose muy marche muy mouvement muy appui à la cause palestinienne keroog que ñu visa écrivain yu dem Palestine Israël bañal leen ay visa dafa ci mouvement donc lolu ni c'est un militant de l'art euh de euh, dafa valoriser aussi le métier de musicien parce que bu yag musicien yu bari dañuy xey jouer dinañu jouer am sax contrat musicien bu am bu ci am yenn difficulté yi mu wan la nan naka la contrat bi défendre la bu les jeunes musiciens aussi mu ubbeeku pour jox leen euh, vraiment possibilité ñu génne ay album possibilité ñu def conférence possibilité ñu voyager ku ci am problème mu génn mu taxaw ci donc lolu euh, vraiment mu nek euh, rôle bu important bu monsieur dans la cause nationale culturelle donc euh, dafa jàll rolam dafa am lu ci côté musique mais le musique dem vraiment ci côté culture et côté patrie. Et ce qui me charme chez ce monsieur, c'est que c'est quelqu'un de très désintéressé, mais qui est toujours prêt à aider, mais surtout toujours prêt à faire en sorte que le musicien, l'artiste, à qui par rapport à qui il s'identifie lui-même, soit dans de meilleures conditions. quand on faisait des arbres de Noël, c'est comme ça qu'on a commencé, il nous arrivait de payer même 25 000 francs à un artiste pour un playback. Imaginez, c'est une somme modique. Mais quand je l'ai approché, il a commencé par me dire, oui, c'est bien ce que tu fais. Je sais que tu es une jeune femme, tu es entreprenante, tu veux faire des choses, tu veux gagner des sous. Mais pour bien gagner des sous, il faut aussi que tu en fasses gagner les personnes avec qui tu travailles. Et c'est comme ça qu'il a commencé à augmenter légèrement les cachets des artistes et à me pousser, moi aussi, à augmenter les budgets que je mettais en place et les, cachets, évidemment, les rémunérations que je demandais pour l'organisation des spectacles. Et du coup, avec les années, on est allé jusqu'à payer un million de francs CFA pour un playback. Imaginez un peu. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les jeunes artistes, surtout pour leur conscientisation par rapport à ce métier qu'ils font, par rapport à la valeur de la musique, de l'art, de la création, mais surtout l'apport important qu'ils apportent aux événements culturels.

Nous sommes euh, spécialisé trop waaye espèce loo mënti même le ministère de l'agriculture de l'Élevage de élevage dina soxla conseil culturel parce que projet est nekk base culturelle. culture conflit conflit yëpp nga dans le monde base culture alors loolu moo tax un élément comme euh, c'est est un élément non seulement stabilisateur mais un élément qui a une vision globale Nous, à dire boo toogee conférence pour écrire un étranger nous ñëwee discuter bénéficiaires yi am na le même rapport ak ñoom donc kooku dafa quelqu'un bi nga xam ne bu ñu ko sargalee vraiment lu wax man dama koy gërëm si lu bari parce que tax na ma gën a jox cër musiciens yi et puis gën a jox valeur li ma doon euh, collaborer avec les musiciens même si j'étais tout le temps avec eux en tant qu'animatrice mais aussi tax na man tamit ma jëlee si leneen loo xamante ni xëy na jëlee na ma man fi ma nekkoon en tant qu'acteur ou d'aime de l'avant et je ne le regrette pas parce que je peux dire que tout ce que j'ai eu à réaliser sincèrement en dehors de ma profession, c'est grâce à ces structures-là et grâce à Je vous encourager pour ce projet que nous avons une dimension nationale et plus tard internationale